l'organisation est bien coordonnée. Comme nous l'avons dit, vous avez vu sans que la chaîne des numéros, les chefs de service ont pris ces numéros. Les ont pris l'engagement vraiment euh, de mettre à disposition Mounulhar quelques jours avant l'événement. Donc, le euh, euh, comité d'organisation de de notre côté aussi vraiment les choses ont bien marché pour l'année dernière Nous avons eu rek avec aussi nous sommes noonu wala mu ëpp ndort li nga xamante ci lañ koy xaar comme événement bi day yok at mu jot. aspect sécuritaire hygiène santé et vraiment l'appui en d'arrêt et tout tout ça yooyu vraiment waxtané nañ ko fi tay te yaakaar nañ ni comme ni ngeen ko chef de service technique également en collaboration avec euh, les sous-préfets les préfets mais également la gouvernance vraiment nous allons suivre pour que. Euh, lépp li nga xamante ni mbébét nañ ko fi mu yemb comme niñ koy defee chaque année euh, euh, defe naa ci loolu lañ doon wax vraiment di remercier aussi le comité d'organisation vraiment qui a bien voulu ñëw tey wuyu suñu nous euh, ñu aussi affaire bi vraiment ba nga euh, aussi les collectivités territoriales yi ils ont apporté leur concours en matériel en nettoiement et vraiment bien d'autres euh, matières. Nous remercions le gouverneur de la région de Dakar donc, et son adjoint et Madame Ba qui s'est toujours engagée à côté de, du comité d'organisation pour une bonne réussite de l'événement. Donc des engagements ont été pris. Et comme l'année dernière, les gens ont été pris et respectés. Donc euh, les services ont joué leur partition et ils ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mais il faut signaler que cet événement, c'est un événement de dimension très spéciale, exceptionnelle. Parce que c'est la ziar de Thier Mohamed El bashir calife général de la famille oumarienne sur terre. Donc la famille oumarienne est présente un peu partout en Afrique donc, l'initiateur de, cette ziara, c'est son fils aîné et son talibé, Cheikh Omar Mahmoud El Bachir. Donc, euh, de cette ziara cette année est qu'elle est parrainée par Cheikh Amadou Bamba Mbaké. Eh oui, par Cheikh Amadou Bamba. Donc, euh, Cheikh, pour magnifier les relations exemplaires qui existent entre les différentes confréries, il a choisi comme, parrain son grand-père, Cheikh Amadou Bamba.